Thank you. Nous sommes lundi 20 mars 2023, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu. Bonjour, il est 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment tu vas Ça va bien Seno et toi Tranquille aussi, j'espère que tu es d'attaque pour euh, débuter cette semaine. Évidemment Seno, alors quel est le menu du jour Mariam, nous débutons avec le flash d'information, une bonne dose de musique et nous suivrons ensemble l'entretien avec Magaji Mamandada, gouverneur de la région d'Agadez, qui nous parle de la situation sécuritaire. Et toujours dans les il y aura la rubrique Hebdo qui parlera de la garde à vue, du sport avec le chroniqueur sportif Gourouza Hassoumi, sans oublier le reportage régional qui nous amènera à Agadez. C'est nous pour finir, il y a les lotis, la culture linguistique et les messages des auditeurs. Et oui, on dira big up à la technique qui est assurée par Kader Chombiano et Rahila Toussoumana, notre chef d'édition. Chers auditeurs, il est à présent l'heure du flash d'information avec Michel Djedji. Bonjour Michel. Bonjour Mariam, bonjour Seno. Alors Michel, quelles sont les nouvelles du matin oui, tout d'abord, il faut retenir que le monde francophone célèbre aujourd'hui, 20 mars, l'édition 2023 de la Journée internationale de la francophonie le ministre nigérien en charge des Affaires étrangères, dans le message qu'il a livré à cette occasion, a déclaré qu'en célébrant cette journée internationale de la francophonie, notre pays rend aussi hommage à tous les pères fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, parmi lesquels un de ses valeureux fils, le regretté Hamani Diori, premier président de la République du Niger. Intercommunalité, cohésion sociale, paix et sécurité est le thème retenu pour la célébration samedi de la première édition du Festival de la paix en zone agro-pastorale à Gadbeji, région de Maradi, une initiative visant à contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale en se basant sur les valeurs socio-culturelles et traditionnelles. Du sport pour terminer, le Niger a remporté hier à Niamey face au Sénégal la première place du classement en équipe et en catégorie de la 12e édition du tournoi de lutte africaine de la CDAO Tolaka. À la finale, les lutteurs nigériens ont en effet remporté le classement par équipe suivi du Sénégal et du Nigeria. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci beaucoup Michel, à très bientôt. Comme annoncé dans tantôt, l'invité de l'entretien du jour est le gouverneur de la région d'Agadez, Magajima Mandada, interrogé par Mokhtar Hamadou sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la région. Oui, mais avant l'entretien, chers auditeurs, le Niger sur Kalangou, c'est aussi euh, de la musique 100% nigérienne. Et pour cela, nous vous invitons à savourer ce sont ténéré de Abdel Agé Umbadougou. Dans cette chanson que vous êtes en train de savourer, l'artiste Abdallah Oubadougou nous parle du sublime désert du Ténéré au Niger. Il contribue la force du produit touristique nigérien, n'est-ce pas, Seno Exactement, Mariam. Ce patrimoine naturel est une vaste étendue de sable avec euh, au nord de grands règles plats, au sud une mer de dunes sur des centaines de kilomètres parsemées, hein, d'oisistes enclavés dans le Sahara. Il garde euh, dans ses images étendues de sable de multiples vestiges préhistoriques. Voilà les titres de cette belle chanson que vous venez d'écouter. Sieno, comme invité du jour à Mouktar Hamadou, s'est entretenu avec le gouverneur de la région d'Agadez, notamment sur la situation sécuritaire et le chômage à deux Et oui, pour euh, rappel, vu l'insécurité urbaine et sur certains axes de la région, il y a de cela six mois, un forum régional sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale a été présidé à Agadez par le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, pour trouver des voies de solution. Aujourd'hui, quelle est la situation dans la zone la réponse dans cet, dans cet entretien avec Magajima Mandada, gouverneur de la région d'Agadez Il est interrogé par Mokhtar Hamadou. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour, Kalangou. Il y a cela un peu plus de six mois, s'est tenu un forum sur la paix à Agadez. Qu'est-ce qu'on peut retenir au sujet euh, de ce forum Ou bien des recommandations de ce forum Le forum euh, s'est tenu le 30 juin et le 1er juillet sous la présidence de son Excellence Bazoum président de la République. On a effectivement échangé sur euh, la paix, la sécurité, le vivre ensemble d'une manière générale il y avait beaucoup de défis. Le défi d'Agadez, notre insécurité, n'est pas liée à un conflit intercommunautaire, elle n'est pas liée à des questions religieuses. Notre insécurité, en réalité, c'est le banditisme, c'est le braquage. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, le trafic de plusieurs euh, ordres. Trafic euh, de migrants, trafic de drogue, trafic d'armes. Et le braquage aussi, quand il se fait, c'est pour arracher les biens de principalement l'or, Agadez et Richard Nord. Des gens viennent de partout. Nous avons quatre frontières internationales, le Tchad, la Libye, l'Algérie et le Mali. Nous avons quatre frontières avec quatre autres régions au niveau du Niger. Euh, et Difa, Maradi et Tawa. Nous avons 2000 km de frontière internationale, euh, de, la frontière tchadienne à la frontière malienne, nous n'avons que deux postes d'entrée officiels sécurisés par le Kawar et par Asamaka. Donc vous voyez un peu l'immensité de la tâche et les intérêts aussi qui sont en circulation dans la zone. Mais depuis le forum, un certain nombre d'actions sont en train d'être menées et pour la gestion de cette question euh, d'insécurité je ne dirais pas qu'on a réglé tous les problèmes, loin, de là, mais des efforts sont en train d'être faits et nous voyons un peu de résultats. Des efforts ont été faits. Quelles sont concrètement les attentes des populations au plan local à Agadez, monsieur le gouvernement Au plan local, vous savez, quand vous prenez dans les grands centres comme la ville d'Agadez, le phénomène qui nous dérange, c'est la délinquance et sous tous ses aspects quand on voit des jeunes filles, qui, des collégiennes qui s'adonnent à la consommation de la drogue ou à la prostitution, c'est extrêmement inquiétant pour ce pays. Mais maintenant, dans les grands axes routiers, nous avons aussi ce déficit parce que nous n'avons pas de bonnes routes dans la région d'Agadez. Jusqu'à présent, nous avons des axes où il faut des escortes pour y aller. Pour les commerçants qui viennent de Dirkou provenant venir à ou vice-versa, il faut qu'ils soient escortés. Donc vous voyez un peu, parce qu'on a peur des brigands, parce qu'on a peur des attaques, on vous prend des véhicules, les véhicules qui sont commandés d'Europe ou d'Asie qui transitent par Misrata, en tout cas par la Libye pour venir à Agadez et continuer de fois vers le Nigeria. Il faut sécuriser tout ça, ça nécessite beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens à, l'armée aux autres forces de, de sécurité intérieure. Et ça coûte beaucoup d'argent à l'État, mais il faut le faire. Mais il y a aussi un autre phénomène qu'on rencontre dans la région d'Agadez. Les gens sont tentés de circuler avec euh, des véhicules, des motos qui n'ont pas tous les papiers requis pour circuler. Quand tu vois quelqu'un sans plaque, avec des vitres fumées, tu ne sais pas c'est qui. C'est beaucoup de vecteurs d'insécurité qu'il faut combattre. Les gens ont l'impression que c'est comme si l'État fait beaucoup de pression pour que la donne ait de l'argent. Non, c'est pour la sécurité. Tu ne peux pas identifier quelqu'un qui n'est pas à règle, qui n'est à nulle part, qui vient avec des véhicules, vitres fumées, et c'est à travers eux justement qu'on trouve les armes, qu'on trouve la drogue, qu'on trouve les trafiquants et des migrants, etc., etc. Donc nous sommes euh, sur ce combat et on fait beaucoup de la sensibilisation. Je communique beaucoup sur cette question, que les gens comprennent que c'est pour leur sécurité qu'il faut être à règle pour circuler avec euh, les motos, les, véhicules, les tricycles, etc., etc. Mais c'est très difficile, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est comme si on leur prenait une part de leur liberté. Et en faisant cela, en faisant de la résistance, ils deviennent un peu comme les complices de tous ces brigands, de tous ces trafiquants. C'est principalement cette difficulté que nous avons. Mais beaucoup d'efforts sont en train d'être menés. On pense qu'un eh, jour, cela sera une euh, histoire derrière nous. Voilà, avant de poursuivre cet entretien avec le gouverneur d'Agadez, chers auditeurs, nous allons encore une fois de plus souffler en musique avec euh, le titre Warby de Fatima Rico. On écoute. <laughs> Fatima Rico est une légende vivante de la musique nigérienne. Âgée de 59 ans, Fatima Rico a débuté sa carrière dans les années 80. Durant plusieurs années, elle fut la seule femme qui enregistre régulièrement dans le genre semi-traditionnel au Niger. Effectivement, Mariam, euh, et pour euh, se perfectionner davantage, elle a appris des cours de voix et d'instruments au Centre de formation professionnelle de la musique CFM Taya de Niamey. Et aujourd'hui, elle est en professeur vocaliste, c'est-à-dire euh, un coach vocal. Elle a parcouru presque tous les pays d'Afrique et quelques pays de l'Europe. Fatima Rico reste toujours debout pour contribuer au rayonnement de la culture nigérienne. Nous disons longue vie à elle wani me aba so gonga tunu winni wani me alborai goda tali teni se satarai goda tali teni goda tali Voilà, amis fidèles auditrices du studio du Niger sur À l'instant, c'était le titre Werbi de la diva Fatima Rico, la voix d'or de la musique nigérienne. Voilà, dans la deuxième partie, le gouverneur de la région d'Agadez, Magaji Mamandada Dada, nous parle de la mise en œuvre de certains engagements. Monsieur le gouverneur, lors de ce forum, le président de la République, Bazoum Mohamed, a pris un certain nombre d'engagements. Six mois après, est-ce que ces engagements sont en train d'être euh, respectés Lesquels, par exemple Par exemple, la dotation des forces de défense et de sécurité, des moyens pour euh, sécuriser euh, un peu. En tout cas, beaucoup d'efforts ont été faits et continuent d'être faits par rapport, en tout cas, à la logistique et les moyens humains, vous savez, les forces sont très mobiles au Niger. Et on peut être un militaire, un gendarme ou un garde officiellement affecté à Agadez, mais se retrouver sur certains théâtres d'opération où l'insécurité est beaucoup plus grande qu'à Agadez, à Difa, à Tawa ou à Tilaberi par exemple. Donc euh, effectivement, je pense que le, gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, en tout cas dans le domaine logistique. Est-ce que et, populations locales vous avez suivi le, président, quand il partait présider le forum d'Agadez, il revenait de Turquie. Donc c'est vous dire, il était parti voir euh, ses commandes. Et à ce que je sache, beaucoup d'armes ont déjà, été déjà livrées. En tout cas, sur ce plan, je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes. Je ne vous dirai pas plus, mais je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Est-ce que la population collabore avec euh, les forces de Mais je vous dis qu'il y, a cette difficulté que la population comprenne que le contrôle des véhicules qu'on fait, les véhicules qui ne sont pas à règle, c'est principalement pour des raisons sécuritaires. C'est pas pour. Euh, un intérêt quelconque pour les finances publiques. la situation du chômage des jeunes La question, la... non, non, non, je vois là où vous voulez venir. La question du chômage des jeunes, c'est général, c'est national. nous avons mené beaucoup de démarches au niveau du ministère des Mines, au niveau des différentes administrations qui sont chargées de faire les recrutements pour qu'il y ait une sorte de discrimination positive pour euh, les gens de la région d'Agadez. Et je crois que cela va donner euh, beaucoup de résultats. en tout cas, j'ai des contacts avec euh, la SOMIDA, j'ai des contacts avec le ministère des Mines pour qu'il y ait une sorte de discrimination positive en faveur des jeunes de la région d'Agadez. Bon, mais il y a aussi la loi qui est là. On ne peut pas dire à un, un Nigérien de DIFA que tu ne peux pas être candidat pour postuler un poste d'ingénieur dans une nouvelle société parce qu'elle est à Agadez. Mais on essaie de, jongler avec ça. Bon, mais il y a aussi eh, le facteur société civile que nous avons à Agadez qui est aussi forte qu'à Niamey. En tout cas, sur le plan médiatique, ils communiquent beaucoup, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Mais, moi, je sais que, en tout cas, moi, ma qualité de gouverneur, j'essaie de faire de mon mieux au niveau du gouvernement et au niveau de la société pour qu'il y ait une discrimination positive pour l'intérêt des, chômeurs d'Agadez. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci. Voilà, nous disons merci à Mokhtar qui est allé à la rencontre hein, du gouverneur d'Agadez. Croisons les doigts pour la paix et la sérénité dans toutes les régions du pays. Nous passons à présent à la rubrique Hebdo qui, comme tous les lundis, nous édifie sur les questions des droits. Nous en saurons plus aujourd'hui sur la garde à vie dans cet entretien réalisé par Tarnan Foudey Ahmeda. Mais avant, hein, Mariam, nous allons encore une fois de plus écouter de la musique euh, parce que le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la musique nigérienne. Cette fois-ci, avec un jeune artiste très très talentueux, il s'agit de Big Abdel qui nous chante Espoir. On l'écoute. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, Tarnan est déjà avec nous dans ce studio. Dans notre rubrique justice de ce lundi 20 mars, nous allons parler euh, de la garde à vie, n'est-ce pas, Tarnan Oui, oui, on va parler de la garde à vie qui est une mesure euh, légale privative des libertés. Nous estimons que c'est un sujet très important et il est important aussi d'en parler. Effectivement, Tarnan, et c'est le juriste Abdurrazak Maazou, doctorant à l'université Joseph Kézerbo de Ouagadougou au Burkina Faso, qui nous édifie sur la question. La garde à vue, c'est une mesure légale privative de liberté et qui peut être décidée à l'encontre d'une personne suspecte et d'une infraction à la loi pénale. Quelles sont les personnes qui peuvent faire l'objet de la garde à vue Toute personne dont la présence est jugée utile ou nécessaire à la manifestation de la vérité ou pour le besoin de l'enquête. D'abord, les personnes qui se trouvent sur le lieu de l'infraction peuvent être placées en garde à vue. Les personnes à l'encontre desquelles il apparaît nécessaire de vérifier l'identité aussi peuvent être placées en garde à vue. Et les personnes qui sont susceptibles de fournir des renseignements peuvent aussi être gardées à vue. Et aussi les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices de culpabilité peuvent être placées en garde à vue. Maître, nous souhaiterons aussi savoir quelle est la durée légale de la garde la durée de la garde à vue dépend de euh, la nature de l'infraction qui est en cause. Dans les droits communs, le Code de procédure pénale a prévu une durée de 48 heures renouvelable une seule fois. Donc la première durée, c'est 48 heures. À l'expiration de la durée de 48 heures, une deuxième prolongation de 48 heures peut être accordée par le procureur de la République. Ça, c'est le droit commun de la préquisition. Mais il y a des textes particuliers qui ont dérogé à cette règle. Si vous prenez par exemple le cas des infractions relatives au terrorisme et au financement du terrorisme, là, la durée de la garde à vie, elle est de 15 jours renouvelable une seule fois. Et en matière de lutte contre la drogue aussi, la durée de la garde à vie elle est de 48 heures renouvelable. Et une deuxième prolongation écrite peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de 24 heures. Donc si vous faites la sommation, c'est 5 jours en quelque sorte. Et en matière d'attente à la sûreté de l'État aussi, le Code de justice militaire a prévu les délais de la garde à vie de 10 jours renouvelables. Donc cela dépend de la nature de l'infraction. Maître, au cas où euh, la personne interpellée dépasse la durée légale de la garde à vie, qu'est-ce qui se passe Oui, il s'agit d'une détention arbitraire qui peut valoir une procédure à l'encontre de l'agent en question. Maître, après l'étape de la garde à vie, quelle est l'étape qui suit Après eh, la garde à vue, si l'officier de police judiciaire estime que les charges qui sont retenues contre et eh, le suspect sont de nature à motiver sa culpabilité, il va dresser un procès verbal avec lequel il va le déférer devant le procureur pour la suite de la procédure. Et si l'agent en charge de l'enquête n'arrive pas avoir les éléments nécessaires, qu'est-ce qui se passe Oui, il va libérer la personne. Donc, euh, après la durée de la garde à vie, soit la personne est transférée devant le procureur, le procureur soit la personne rentre chez elle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter relativement Oui, en fait, il y a aussi eh, le règlement de l'IMOA qui régit la profession de l'avocat de l'espace IMOA a prévu aussi euh, l'assistance euh, de la personne gardée à vue dès son interpellation. Donc, dès son interpellation, la personne placée en garde à vue a euh, le droit de faire recours au service d'un avocat. Aussi, l'officier de police judiciaire, à partir de la 24e heure de la garde à vue aussi, doit notifier au gardé à vue son droit de prendre un avocat. Et à défaut de cette formalité, la procédure peut être annulée même. Après avoir terminé l'enquête, avant de déférer la personne, et la personne doit être déférée avec un certificat médical qui atteste qu'elle n'a pas suivi de C'est c'est pourquoi donc il est totalement interdit d'infliger des actes de torture à l'encontre de la personne qui est placée en garde à vue. Vous avez aussi évoqué un certificat médical au cas où euh, le gardé à vie euh, a, suivi un traitement dégradant ou inhumain. Est-ce que cela peut entacher la procédure de la garde à vue Oui, tout à fait. Cela peut entacher la procédure de la garde à vue. Et des sanctions aussi peuvent euh, encourir à l'encontre de l'agent enquêteur qui a placé la personne en garde à vue, qui peut être tenu pour responsable. Alors, euh, Tarnan, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien sur euh, la garde à vue oui, sinon nous venons d'écouter notre juriste Abdelkader Abdelrazak Mahazou qui a évoqué des choses très très importantes relativement à la garde à vie, notamment sur la durée de la garde à vie qui évolue en fonction des infractions. C'est dans ce sens qu'il a relevé qu'elle est de 15 jours en matière de terrorisme et financement du terrorisme renouvelable une seule fois. En matière d'atteinte à la sûreté de l'État, selon les dispositions du Code de la justice militaire, la garde à vie est de 10 jours, jours renouvelable. Il a aussi évoquer des choses très importantes, euh, surtout quand un officier de la police judiciaire doit livrer un gardé à vie devant le procureur. Il doit le faire avec un certificat médical qui prouve que la personne n'a pas subi des mauvais traitements ou des traitements dégradants. Voilà ce qu'on peut retenir globalement sur cet entretien avec Mahazou. Merci euh, infiniment, Tarnan. Chers auditeurs de la musique, toujours dans cette émission, le Niger sur Kalangou, cette fois-ci avec euh, un jeune très très talentueux. Il s'agit de Big Abdel qui nous chante Espoir. On l'écoute pyjama que je le marre, mon frère. Le pyjama qu'il est tard, ma soeur. Le pyjama que je ne marre, mon frère. Où que tu sois, ici même ou quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête, regarde l'image du ciel. Le jour, soleil, soleil et la nuit, c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entame. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu vois le gars quand elle va t'appeler mais les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde ta bouche comme on s'en taille. Machala, il que ça te dire qu'on baille. Y'a que fascinant, il que ça te dire qu'on baille. Machala, il que ça te dire qu'on baille. Y'a que fascinant, il que ça te dire qu'on baille. Machala, il que ça te dire qu'on baille. Y'a que fascinant, il que ça te dire qu'on baille. Machala. I stay você não, nessa arsa que fondo. Ele corre one no, se for da goi. Tete goi, enganda dunga no hand foi. Se foi que nasce dei, aí maga matunga goi. Ele maga bosu dai. Ele kotala no Yeah man. sinu irigizade dirikoibai mashallah irigizade dirikoibai nyakufusi irigizade dirikoibai mashallah irigizade dirikoibai nyakufusi nu irigizade dirikoibai mashallah irigizade dirikoibai nyakufusi irigizade dirikoibai zarina duniya komida lokaci ta zamo talaka yi watan da arziki Big Abdel est un jeune artiste classé premier de l'édition 2019 du concours tremplin des jeunes talents du Niger. Il s'est distingué tout au long du parcours par sa double qualité aussi bien dans les chants que dans les rap. Big Abdel, lui qu'on qualifiait d'introverti explose littéralement la baraque au contact de la scène et du public. Artiste engagé, il voit la musique comme un outil de sensibilisation et d'éveil sur des consciences. oui, Mariam, il faut noter aussi que depuis euh, son sacre, il s'est renforcé considérablement à travers euh, la pratique de la guitare et s'oriente de plus en plus vers une musique plus universelle dont on espère qu'il deviendra une figure emblématique au Niger, voire à l'international. car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu voleras quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond de cette ciel. Right? rock on them. Big up them. right. Eh bien, ces chers auditeurs, euh, c'était l'espoir de l'artiste Big Abdel. J'espère que vous avez aimé. Mariam, direction Agadez, capitale de l'Aïr, pour le reportage en région. Eh oui, c'est mais c'est Agadez, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus exposés aux conséquences de l'insécurité. C'est ce qui nous explique euh, Madame Aïcha Al-Mustafa, présidente des femmes pour la caravane de la paix. Ok, si, Mariam, euh, c'est pourquoi les organisations féminines s'active dans la prévention et la, et la consolidation de la paix à travers plusieurs actions. Pour plus de détails, suivons Madame Aïcha Al-Mustafa au micro de Mokhtar Hamadou. mu mata mu ne ya shafa saboda in babu kwanciyar hankali mu ne muke shan wahala mu mata mu da diyan yara saboda yau namiji in wani abu ya tashi yana iya ya tahi ko menene ya faru ko menene zai samu mace za a iskowa ta da diyanta kenan mu ne wannan wuri mu muke son shi kwarai kwarai kwarai fiye da yanda ku ba ku san mahani saboda mu ne yake jin ciwo ba mu jin dadi mu ga mazan mu ba jin dadi kenan mu ma ba mu jin dadi A ganin ku wani dalilai ne ke haddasa rashin tsaro a jihar Agadas? Babu abin da yake kawo tashin hankali illa rashin aiki. A samo ma matasa aiki. A yi kwamfani kwamfani wanda zai kula da kwanciyar hankali cikin desert cikin wurin uwayenmu makiyaya wanda suke cikin dashi da ni makiyaya ce yanzu haka uwayena suna cikin taren na laki kuma ni ma ina kiwo. Kenan abin da muke so duka abin da ya shafi kwanciyar hankali daga cikin dashin nan daga cikin garin Agadas duka ya kare. Wani irin yunkuri ne kuke yi don tabbatar da zaman lahiya, kwanciyar hankali da haɗin kan 'yan ƙasa. Abin da muke yi mu mata kullum muna sensibilisation mu mata bisa tashin hankali ya to tashin hankali ya kare cikin Nijar duka balle region kinmu na Agadez. Mun gode ma Allah alhamdulillah mun kai ma Allah godiya saboda mu yau a cikin kasashen da ake tashin hankali mu region da Agadez Nijar zan ce mun kai ma Allah godiya alhamdulillah kuma mun gode ma mu wanda suke tsaye kowane lokaci manyan mu suna kora tashin hankali kai ya shigo mana inda ana saka mu ko ina galibi ga chat ga nigeria ga mali ga burkina kenan mu muna saka mai wuya amma kullum dare da rana muna ma kai ma allah kukanmu da ya kare mu cikin wannan abu Me kuke jira daga mahakumta? Abin da muke jira ga shugabanmu mun san zai yi kuma har ya fara mun gani sun excellence Mr. Muhammad Bazum. Mun gani tunda da yana kokowa ya kwantar da wuta kuma da ya mun ga haske saboda ko ina an fara inda da ake tashin hankali da yawa yanzu wannan wuri babu tashin hankali. Akwai mutane da wanda suka yi gudun hijira saboda tashin hankali amma yanzu duka sun koma wuraren su kenan sai mu kai ma Allah godiya. Muna tada tila akan layi ina kwana tila? Inakwana. kwana Allô? tila ah, Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et eh oui, chers auditeurs, vous l'aurez compris. Allô Allô ah, bonjour, ça va Tila Bonjour, ça va bien. La ligne aujourd'hui, elle est très très mauvaise. Oui. <laughs> Mais heureusement, nous avons pu en tout cas euh, vous avoir. Ça va bien oui. Ça va très bien. Je suis avec Mariam dans ce studio. Mhm. Ina kwana Tila? Lafiya lau an tashi lahiya Mariam. Lahiya lau alhamdulillah. Tila muna so mu sani mata da yara cikin wani hali ne suke yanzu a jihar Agadas. To alhamdulillahi mun gode kwarai da wagga dama da kuka ba mu mata da yara a nan jihar Agadis eh, game da harka abin da ya shahi eh, tsaro. Za a cewa dai alhamdulillahi saboda akwai matsaloli da yawa saboda wannan matsalar ta tsaro ta ka matsaloli da yawa ga mata da yara ƙanana. Musamman ma wajen bangaren mata za a iya cewa yau akwai akwai matsala hakan ga kamar shige da fice mace ta tashi daga wani wuri zuwa wani wuri. tsakani da Allah in dai marece yau dai aka da su wannan matsala mace tana fuskantar ta saboda akwai wurare da dama da ita mace ba za ta iya taje ba haka zalika yara ko lokacin da ɗanka ba ka iya ka shi a wani lokaci saboda kana tsoron kan wani ya ɗauke maka yaro ko kuma kan wani ya lalata maka in yarinya mace ce in namiji ne da yake da yanzu har mazan ma lalata ake da su hmm. kenan wannan ababe ne wanda tsaro rashin kamar barewar tsaro ya kawo shi a nan garin agadarsa hmm. banci shi kuma za a iya cewa kamar ita mace tunda ko baya bayan ga akwai mata da yawa wanda suka fuskanci wannan matsala za ki tashi da sakinki da wani abubuwan kirkirkida da zabce ko kuma kina bisa motan Ok, d'accord. Alors, euh, dites-nous, Tilia, quel est euh, leur état d'esprit face au banditisme urbain, euh, face auquel ils sont le plus vulnérables Vraiment, elles ont peur. Les femmes et les enfants ont peur de ce banditisme qui se vit de la ville d'Agadez parce que on dit qu'ici, à Agadez, il n'y a pas d'insécurité. S'il y a d'insécurité, l'insécurité qui vit dans la ville d'Agadez, c'est le banditisme. On t'attaque, on prend ton sac à main, ou bien on prend ton enfant pour le kidnapper, hmm. etc. Donc, hmm. To shin shina akwai wasu ayyuka na ainihi da hukumomi suke yi don su kawo al'umma gari tsaro? wannan sosai ma yanzu an duka in an dauka kamar ma'aikatar magajin gari kamar nan garin agades uh, suna kokari da su da abokan hulɗar su musamman kamar yanzu an duba za ka gani matasa ko a baya bayan ga ƙungiyoyin matasa da dama ne suka samu tallafi na waye kai bisa abin da ya shafi tsaro abin da ya shafi musguna na mata abin da ya shafi duka abubuwa da ya shafi matsal da za ta kawo ga yara ƙanana saboda in an diba za a ga cewa gaskiya na samun canji saboda uh, waye kai kin nan da matasa sun kai cikin agadis ya aihi da mai ido sannu sannu a hankali da su da ma'aikatar magajin gari gaskiya suna kokari kuma su ma dai eh, hukuma na agadasa kamar su gubernura su ma a cikin dazuzzuka suna nasu kokari saboda suna faɗakarwa tare da su da abokan hulɗar su duka in an yi wani taro hakan ga wata sallah ce ko wani abu sukan ɗan shayo hankalin al'umma na cewa na bisa kan abin da muhimmancin zaman lahiya saboda sai da zaman lahiya to haka ne haka ne <laughs> mun gode <laughs> mun gode sosai merci beaucoup merci passez une excellente journée à vous merci Mariam, euh, j'espère que hier tu étais hein, au stade pour faire euh, du sport à l'occasion de la journée de santé. Sinon, euh, après toi, maintenant pour l'arène de lutte traditionnelle. D'accord, il n'y a pas de souci. <laughs> Retrouvons Gourouza Hasmi pour la page du sport. Bonjour Gourouza. bonjour Mariam, bonjour Sinou. Comment va Ça va bien Gourouza. Alors, le Niger est en haut du podium à l'issue du tournoi de lutte traditionnelle de la CDAO à ah oui, Sinou, Mariam. Oui, l'arène de lutte traditionnelle euh, de Niamey a vibré hier dimanche 19 mars 2023 avec le sacre des Nigériens après 12 ans de règne sénégalais. Les écuries de Sar, l'un des vieux entraîneurs, ont enfin cédé et devant la, jeunesse, euh, la jeune génération des lutteurs nigériens. Le Niger prend ainsi la première place du classement par équipe suivie du Sénégal et du Nigeria. Outre le classement par équipe que le Niger a arraché parmi les 14 pays en compétition, le Niger a raflé 3 médailles d'or en individuel et sur les 5 en compétition seul. Heibo Hassan, 86 kg, Isaka Isaka, 120 kg, dont Papier Honoré. Après la remise des trophées, l'entraîneur national du Niger s'est confié au studio Kalangou, Hamadou Manzo au micro. Ça fait plus de 10 ans que le Niger attend en tout cas d'être au plus haut sommet du podium. Euh, on a fortement voulu le faire et c'est maintenant que c'est arrivé. Et en tout cas, je l'ai toujours dit que cela est possible. Il suffit de courage et de travailler. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons pris donc cette euh, première manche du podium. Et vous avez vu les garçons, ils ont pris trois médailles d'or à l'individuel. Euh, la moisson, elle est bonne. Et vraiment, ces garçons méritent d'être encouragés et nous rendons vraiment un grand hommage au frère de la Fénulutte, au ministre de la Jeunesse et des Sports, au gouvernement général. manière générale, qui ont voulu vraiment nous aider, nous appuyer pour que nous puissions avancer ça. C'est la victoire du Niger, c'est le travail, c'est le travail. Gourouza en foot, le Niger se prépare pour ses sorties africaines. Oui, Mariam, le sinon sera en Algérie pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et l'équipe U23 du Niger recevra le Soudan en match aller au stade général Sénécountier de Niamey. Ce sera le mercredi. Un faux pas n'est pas permis euh, pour les poulains de Zakariaou Ibrahim. En tout cas, merci euh, infiniment, Gourouza. Alors, euh, on poursuit cette émission, mesdames et messieurs, chers auditeurs. cette fois-ci, hein, Mariam, aujourd'hui, nous allons à Kodo Kwara, à environ 80 km de Niamey, dans le département de Boboy, région de Dosso. Et eh oui, pour aller rencontrer les sujets de notre portrait du jour, il s'agit du chef débouché de Kado, Boubacar Wakasso. Il est âgé de 90 ans, originaire de Tibri, dans le département de Dogondouchi. Boubacar Wakasso s'est installé dans le village de Kodo depuis les années 1970, un village renommé pour la qualité de la viande qu'on y trouve. Portrait avec Oumaru, avec Oumu Oumaru. Euh, nama nama akwai nama sai nama mai tabshi nama kwaddo mai tabshi sarkin fawa da kun ka zo garin kwaddo wa kun ka iske kuma wani shekara ne kun ka zo ya waje kai ne mun ka iske nan bazabar mai na shi ko nan na wajen kuringal mahauci wina akwai sannan ya waje kai ne mamman tun dai yauri na bisa iko muna cikin garin ga ha an kai ku da tashi sannan akwai wata aduwa nan muna nan muna zamle da dare ana kai kai cibi na wani mai mota ashe so zawara suka ce maza ku tashi <laughs> muka tashi muka ciki suka ce wallahi muka koma kan mu iske kowa wurin tun mulkin jauri kutar da shi cikin garin kwaddaba muna cikin mulkin jauri kuna samun ciniki yadda ake so A aka ji ma mun ga duk yanzu ana sayin shi a aka ji ma duk bai kai dare wani alheri kun ka samu cikin shi wani alheri mun gode ma Allah alhamdulillah abinda duk kai ka gama kai kokarin na baya gare ka shi ko shi shi gama lahiya shi ɗaya na kaka roko ya tukan ku da yan gari a sai hamdallah mai gari wanda ya mutu dan dan shi hau sai hamdallah mu da mai gari katanga guda ta ku yi arme ga juna mun yi arme ga juna hai kwarai ko dalli ya ta yanzu da zabar ma nan bi ta uku ta rabu ta yi arme dan garin can da kun ka faro dar salamu muna tallafa musu yara da hamman lokacin mun ga kai Ɗan lokaci yanzu da ciwo ya shiga cikin jiki babu laya tan shi ya soke zama dai na muka mun gode ma Allah kuma shekarar da an kai mana abatar nan babu ruwa matsala kuma ko mayanka ba mu da mayanka yanzu ya kai shekara 65 babu ruwa ga mayanka babu kuma mayanka shi ma duk ya ɓaci wallahi a taimake mu lokacin da wanga na bindi ya ci sarauta shi ya yi mana abatar nan ya yi abin ga cenin na wurin hudi o oh, shi ya kara can ta hudi wanga yanzu bai kuke so a muku wallahi muna son mayanka a gyara mu da garin mu ci kyawu muna son ruwa cikin mayankan mu babu ruwa wallahi tun zamanin bello duwa zamanin mama asabanna ba mu tsawar samun tallafi na mahauta ba shi na taimake mu taimaka mu na wallahi ka yara na son taimako mu dan mu ba mu ba yanzu a taimake yara su wanda ya taimake mu su taimake yara mu sakamako to siya siya siya nama nama akwai nama sai nama mai taushi nama kwaddo mai taushi mai kyau Merci beaucoup, Oumou, cher auditeur. Nous allons écouter la dernière musique de notre programme d'aujourd'hui, c'est non Oui, Mariam. Tu nous proposes quoi aujourd'hui Eh bien, je vous propose le groupe Akazama hein, de Dogonduchi avec ce titre Baban Dodo. Eh, Baban chers auditeurs, euh, c'était bien là le titre de cette chanson hein, du groupe Akazama de Douti. Nous espérons que vous avez kiffé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'heure du Aujourd'hui, nos consoeurs hein, nous parlent des risques que pourrait avoir le fait d'envoyer vos petits-enfants faire des courses. Et quand bien même vous les faites, prêtez attention au temps qu'ils passent dehors. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le sujet de la conversation entre Rekia Arimi et Samira Rouafi. Hey son sa kaina ne ina zan fara neman yarinyar nan na shiga uku mi zan ce ma babanta inda na sani wallahi da ban aikin ta kasuwa da ni da kaina zan je in so kayan miya na tun da sai har yanzu Jamila bata dawo ba Fanta Fanta me ya same ki kike magana ke kadai haka ni na azuma da wani kike haba kawata Jamila ce na aika kasuwa tun da safe har yanzu bata dawo ba me me nake shirin ji kuma kike zamna nan kina kuka Na san dai kin yi kiran babanta ko? Haba Laraba dan Allah ruwa mini asiri. In faɗa muwa baban nata. Kina so aure na ya zo ƙarshe in na kuskura na gaya mishi da na aiki yan shi kasuwa ba tare da ya sani ba wallahi sai ya halaka ni sai da ya ce mini kan aiki ƴaƴan shi su kaɗai kasuwa. Fanta ranar wanka ba a ɓoye cibi. Wannan wani al'amari ne babba. Yaya za a yi ba kya sanar da ubansu ba? To Allah ya tsare dai in wani abu ya same ta fa. Ha? Mi zaki, zaki zamna kuma kina nan kina ɓoye mishi, kin san da abun bai ɓoyuwa. ke kiraye shikin shi ko kafin nan ki duba kuma in akwai abokanta wa'anda kika sani na san kina da lambobinsu eh da Allah ɗauki wayata ki duba ki gani lambobin da ke fara da ƙawaye na rubuta sunayen ƙawayenta da Allah ki duba mini ni kuma zan je waje in duba an gani in ba ta nan tahi. To, na duba in ba tana gidajen ɗaya daga cikinsu ba. Ƙawata wallahi ba ta nan. Na ma tambayi ƙawayenta na cikin anguwa sun ce tun da sayar suka ganinta ta ce za ta je wata abu ke ta taraka ta kasuwa. To, madalla ai wannan ma wani sau ne to baki san wata abikiyar taba da take cikin wannan anguwar na san guda tana nan cikin waccan kwana ta uku sunan ta lamisi mu can koyar lamun iske ta to mu tahi assalamu alaikum assalamu alaikum hm, kin ganta ke ko da kika ji muryata ne kika hito haka a guje ko menene wannan abun tun da sahi da aka aike ki biki dawo gida ba kuma biki kiran mutane ba ana ta neman ki kin ga tashin hankalin da kika kawo ma mutane ko tana nan uwarki baiwa Allah ha batta ma jin daɗin jikinta duk ta ta rikice kin san sarai tana da hawan jini in ya tashi fa haba dan Allah tantiki hakuri wallahi ba da gangan yin shi ba kin san tuddor na ƙare sayayya ta to abikiya ta ce ba ta samu wannan uniform kin ba shi ne sa muka ta bin kasuwa kasuwa sai daga baya da kyal muka samu a kasuwar tala dan Allah tanti hakuri wallahi tanti ban tuna da haka nan bane bai zo min cikin kai ba da ya kamata ma in kira ku in shaida muku to da hakan ya kamata ma ki daga gaban nan in kika tsinci kanki cikin irin wannan yanayi ya kamata nan da nan ki kiran iyayenki ki haɗe musu ko da ma za ki ɗauki wayar wata ƙawar ki ce ki haɗe. to tante insha Allah zan kiyaye amma da Allah ku yi haƙuri mama kuma ku yi haƙuri. Hmm. wallahi Allah ƙawa yarinyar nan ta so ta kashe ni da sauran kwanaki na. cikin wannan zamanin na sace-sacen mutane yara na taɓata ha in ba Allah ba komai ya shigo cikin kaina babu abin da ban yi tunani ba na aza koma har an kashe ta an saida ta kamar wadda tantiki laraba ta gai wallahi ki hankali ba kina nan gaji na ba in kika tsinci kanki cikin irin wannan hali ya kamata ki kira mu ki gaya muna don hankalinmu ma ya samu ya kwanta kwanakin nan babu abun da ba mu gani duniya ta zama yadda ta zama mutane wallahi komai suke iya yi saboda abun duniya har abun ga sai da mutane ana sace mutane ana sai da kayan jikinsu. Hmm. biki ma sani ba ana sace mutane a satin da ya gabata wasu maza biyu cikin motarsu suka so su gudu da wata yarinya da ƙawarta suna kan hanya za su makaranta Allah da ikonsa suka yi ihu sannan wa mutane suka nemi su cece su mazajen ga suka gudu saboda shi ni a kulli yomin in na samu ɗan lokaci ko kuma lokacin da muke cin abinci nakan jan hankalin yaran nan ha da farko in ce musu kadda. ku yarda ku amshi abin hannun namiji ko kuma na wani da ba ku sani ba kada kuma ku yarda ku tahi gidan wani sarmayi ko gidan wani abokinsa alhali shi sarmayi shi ya kamata ya zo wurin ka hira wallahi kina da gaskiya ƙawata abun da kika gayi haka nan ne mu iyaye ya kamata mu ƙara dubawa mu mai da hankali kwarai da gaske mu zan tuna ma mu da su ringa yin hankali su san inda suke sa ƙawahunsu Dan fashi kaɗai ne mafita fa a halin yanzu kina da gaskiya kawa hmm, hankali kai shine mafita Allah dai ya tsare mu ya tsare yaran mu amin walla kawa to yanzu dai kin yi kiran uban ko a dole ina ga mishi tun tare da ta dawo Voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était bien les femmes du studio Kalangu avec euh, Loti. Nous espérons que vous avez bel et bien aimé. Nous continuons, nous poursuivions bien évidemment cette émission. Cette fois-ci, hein, c'est la culture linguistique. Nous découvrirons quelques mots avec Jackie Dalton. Hello, bonjour. I hope you're well. J'espère que vous allez bien. Tout comme la semaine passée, je suis au Mali avec mon collègue Mohamedou Touré, rédacteur en chef de Studio Tamani, la sœur malienne de Studio Kalango. Bonjour, hello. Hello Jackie. Mohamedou apprend l'anglais, raison pour laquelle je lui ai proposé de participer à l'émission. Et la phrase que nous avions vue ensemble la semaine passée était euh, Est-ce que tu te souviens, Mohamedou, de la phrase ah oui, I'm from Mali. Exactement. Hmm. I'm from, qui veut dire Je viens de. Voilà. Et on a aussi posé la question Where are you from hmm. qui veut dire D'où viens-tu Exact. Et aujourd'hui, on va voir une autre phrase. Hmm. Alors, à vous, nos auditeurs et auditrices, et moi, Madou, que veut dire cette phrase I speak English. I speak English? I speak English. Je parle anglais. Exactement. How many languages do you speak? Combien de langues parles-tu, Mohamedou? I speak Bambara. I speak Wolof. I speak French. I speak Sarakole. I speak uh, also Pular. And I speak English. That's six languages. Wow, that's a lot of languages. Est-ce que tu trouves que les différentes langues sont utiles pour des différentes choses. Je donne l'exemple parce que moi, par exemple, je parle principalement en anglais et en français. Et puis, en fait, si je suis fâchée, j'aime bien parler en français parce que ça permet de râler. Le français, c'est mieux pour ça. Par contre, l'anglais, je trouve, c'est bien pour être très, très précis et clair sur les choses. Donc, je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Alors, pour moi, je me sens plus à l'aise de parler également le français. Et euh, le Bambara, ça c'est pour discuter avec les anecdotes et autres. C'est plus facile discuter mhm. avec euh, mes concitoyens au Mali. Raconter des blagues et tout ça. Et le Wolof également, je me sens très bien à l'aise avec le Wolof parce que c'est ma langue de naissance. Euh, c'est la première langue que j'ai parlé Et donc du coup, ce sont les trois langues dans lesquelles je me sens beaucoup plus à l'aise. le Peul, j'en parlais, je comprends un tout petit peu. Alors la différence un peu entre ces différentes langues, je me dirais que euh, le français a tentative à être, pour nous les jeunes, beaucoup plus complet. Mhm. Parce que même en parlant bambara, de plus en plus, on utilise certains mots euh, qui sont euh, en français à l'origine. D'accord, donc les, langues se, mélangent en fait. Se mélangent et se complètent. Tout à fait. I speak English. That was today's English phrase. What languages do you speak? Merci beaucoup, Jackie Seno. C'est toujours un grand plaisir d'avoir un retour sur nos productions. Vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout dans les pays et sur notre site internet www.studiokalangu.org. Écoutons quelques-unes de leurs réactions. Assalamu alaikum, Studio Kalangu. kuna tare da halidu zanzam ɗanɗan mai martaba shugaba na fada masu yan gaski a dogon can da da maricina muka samu sauraron ku amma muna sauraron ku sha ɗaya kuma muna sauraron ku da marice gaskiya mun ji daɗin haka nan kuma dai dukkan abun da kuke yi muna biyar da ku sau da ƙafa kuna wayi muna kai bisa kai ga abubuwa da dama muna gane abubuwa da dama Allah da ya tabbatar da alheri Allah ya saka muku da alheri ina gaida dai babana mai martaba da sannan dan galmi kuma na matankari da aliyu mai rijiya da shi da diyatai a sannan ba zan mantawa da sadaka umaru wanda bai son yaro mai sanya hali akwai zakiru na zanzam dama shi dan tawaye na ba zan manta da shi ba ni dai suna na bilkisu tare kuma sawa ce a gaskiya matuka sosai ma komi nake yi ajiya nake yi dan abin yana burge ni musamman abin da ya shayi matasa mata mata dangance da wayewar da kai suke akwai wani shiri da ake abin da ya shahi matasa musamman ma irin matasa a ce 'ya'ya mata su tsare kansu su zauna ɗan su san rayuwarsu kuma su zauna su san menene su kansu mahimmancin kansu kenan ana neman mahimmancin kai kenan ana son ka san incin kanka kenan 'ya mace ta san incin kanta kar ta yarda a tauye mata haƙƙi ta tsaya ta kula da kanta gaskiya saboda cewa mu mata akwai wurare da ba mu san inda aka mu wani banna ba mu taimaka kan mu a hidda mu haƙƙin mu amma a madadin wa'annan studio kalangu da ke faɗakarwa muna ta hanyoyi da yawa muna kaiwa muna samun incin kanmu na 'ya'ya mata

C'est la fin de cette émission, mais avant de se quitter, nous recevons Rafika Attaher pour nous présenter un aperçu de l'édition de 17h. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam. Alors, euh, dans l'émission de, l'édition plutôt de 17h, après deux jours de compétition, le Niger remporte la 12 édition du tournoi de lutte africaine de la CDA Tolac qui s'est terminé hier 19 mars à Niamey. Vous aurez plus de précisions ce soir. Près de 4600 migrants sont arrivés à Assamaka, une ville au nord du Niger, de la région d'Agadez. La plupart se sont réfugiés au centre de santé intégré qui est désormais débordé. Vous aurez leur situation après. Et de la partie magazine de l'édition de ce soir, vous aurez vous aurez un aperçu des plaintes déposées contre les forces de défense et de sécurité de la région de Maradi. Merci beaucoup, Refika. On se capte alors à 17h pour notre programme de désert. Merci infiniment, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Nous sommes à la fin de cette euh, émission. Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ousseni et Mariam Adé. De l'autre côté hein, de la vitrine, il y a Kader Chambiano et Rahilatou. Merci à toute l'équipe euh, qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Bye bye, ciao ciao, on se capte euh, demain.